présentez vous monsieur président de l'association des hémodialysés de saint voilà la situation par rapport à justement ces malades justement depuis plus d'une semaine nous vivons les moments les plus cruels de notre vie effectivement il manque du tout les malades comme vous venez de les voir effectivement ils ont des problèmes par rapport aux médicaments par rapport aux analyses par rapport aux examens. Et rien, rien d'autre que ça, ça ne peut pas continuer, surtout avec des séances de, euh, dialyse. Au lieu de quatre séances, on se retrouve maintenant avec deux séances. Alors même avec les quatre séances, le problème n'était pas réglé. Aujourd'hui, par exemple, ces, ces, malades meurent comme des mouches. Chaque mois, nous comptons, par exemple, vraiment des malades, ce qui reste inadmissible. Permettez-nous de décrier justement cette situation qui est lamentable et l'absence justement, par exemple, des autorités. Je veux dire des autorités municipales, des autorités euh, du conseil ne savent même pas qu'il existe justement euh, l'unité de dialyse à saint alors que c'est des citoyens qui ont droit justement à une assistance des citoyens que nous devons accompagner. Donc nous attirons encore une fois de plus l'attention, par exemple, du conseil municipal et du conseil départemental, qu'ils ont laissé en rade justement cette, cette, euh, cette, euh, ces malades et que c'est inadmissible. Aujourd'hui, est-ce que cette situation serait causée peut-être par le, euh, manque de, de cohésion entre l'ACP et les travailleurs Justement, le problème majeur est que on a affecté à Saint-Louis un ACP qui laisse à désirer dans la mesure où il a fait beaucoup de trous dans d'autres institutions, semble-t-il. Aujourd'hui, les, justement, les travailleurs de la santé de l'hôpital de Saint-Louis ne peuvent justement accepter que, par exemple, l'ACP soit leur fossoyeur. De, de toutes les façons, nous autres, nous les accompagnons de bonne foi et très fortement parce que nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui va, par exemple, enterrer euh, l'hôpital. Euh, ça va beaucoup impacter sur, par exemple, les séances de dialyse. Ça va beaucoup impacter sur la gestion euh, de l'hôpital. Ça va beaucoup impacter sur, par exemple, vraiment le traitement pour dire dans sa globalité. Et nous disons non à ce nouveau ACP qui ne fait que nous créer des difficultés et des problèmes. Nous disons encore non et nous ne l'accepterons pas. Nous accompagnons les travailleurs dans ce sens. Voilà, c'est bon. Mm. Anmaï Bandessar, président de l'association des hémodialysés de Saint-Louis. Mm. tey ngeen di dund lu jafe ak euh, ñi nga xam ne ñoo feebar fii ci unité bi. tey jii ñuy dund lu méttee méttee métti muy lu nga xam ni doomu aadama bu nga xam ni dafa am droit si euh, faju am droit ci jang am ci droit ci justice yooyu yëpp dañ ko bafoué nii ndax ni nga xamni ni faju fi fii garab sax ñu ko am ñu am dara ce qui fait que ñom presque dañu wax ni fi hôpital bi dañ ko def mouroir aujourd'hui bi fi par exemple avec le nouveau directeur mi ngi doon tane mais on s'est rendu compte que indil nañu benn ACP bu bees ACP bobu ñu fi indi nak Mononar avons encore d'autres problèmes parce que vraiment c'est euh, difficulté que nous avons rek dafa doyoon sëkk sëkk sëkk sëkk ndax garab yi dafa manqué qui yi manqué examen euh, analyse et tout aujourd'hui bu que, par exemple donne-nous un ACP bu nga par exemple dafay gas hôpital bi euh, suul que pour d'accord donc nous avons accompagner les travailleurs tous les travailleurs nous ngi leen di accompagner di leen wax ni leen ray hôpital bi aussi dafa bok ci ray hémodialyse ndax bu ñu hôpital bi ray non hémodialyse ah, oui donc nous faisons appel aux autorités ñoo ngi autorités yi pour par exemple nous réagir par rapport à ça pour nous remettre nous par exemple ACP bi fi ou wala un autre ACP conjugat autre chose de ça aussi nous attirons l'attention wu ñoo ngi aussi conseil municipal à conseil départemental ou à hémodialyse dañu am droit si non par exemple xamuñu leen sax à départemental bi par exemple ils non besoin de fi def action wa municipal bi municipal fi def ben action té ñi ñu ñu nek fi fii dañu am droit ci parce que c'est dëkk bi lu ñu dëkk dañuy fay ay impôt dañuy jënd ci ki bi de développer la ville de Saint-Louis donc dañu wax ni ah, dans tous les cas, nous avons droit, par exemple, à, une assistance. Donc, par force, nous avons assistance au niveau des hémodialisés. Merci.